le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du Forum de la presse, notre rendez-vous du vendredi avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du Forum de la presse, au plan politique, un relatif apaisement du climat politique constaté, à suivre l'analyse de nos confrères sur l'avenir politique du chef de file de l'opposition nigérienne Hamamadou qui purge les huit mois de sa peine à Filengue. Au plan international, nous évoquerons la célébration des 30 ans de la Convention relative aux droits des enfants, CDE, avec les avancées et les défis de la promotion et de la protection des droits des enfants. Sur le plan sportif, nous nous attarderons sur les raisons de la double défaite du MENA national dans le cadre des éliminatoires de la campagne de football Cameroun 2021. Pour en discuter, nous recevons Maimouna Diado, euh, rédactrice en chef à la radio et télévision Tambara. Maimouna, bonsoir. Bonsoir. Rufai Dandoua, journaliste euh, chroniqueur de sport. Euh, Rufai, bonsoir. Bonsoir, Kosi. Nous attendons d'un moment à l'autre nos confrères Hussein Issa, freelance, et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. À la présentation, à Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 22 novembre 2019. Euh, nous débutons ce forum par la célébration mercredi des 30 ans de la Convention relative aux droits des enfants. Pour rappel, le Niger l'a ratifié le 30 septembre 1990 et lundi, face aux enfants, le chef du gouvernement nigérien a réitéré l'engagement de l'exécutif à promouvoir et protéger l'enfance. Diado, euh, rédactrice à la radio et télévision Tambara. Quelles sont selon vous les avancées et les défis de la promotion et la protection des droits des enfants au Niger dans un contexte où l'insécurité et autres catastrophes freinent la scolarisation, le fonctionnement des centres de santé, le mariage précoce oui, bon, ce qu'on peut dire euh, par rapport donc euh, aux défis et perspectives concernant la CDE, la Convention des droits de l'enfant qui a été ratifiée, comme les autres pays d'ailleurs, par le Niger euh, le 30 septembre 90. Je pense qu'on peut parler euh, d'avancées significatives euh, du moment où on a constaté qu'il y a une nette amélioration en fait des conditions d'études, si je peux le dire, du côté surtout quand on prend la jeune fille. Mmh. Aujourd'hui, c'est un combat qui est mis en avant par euh, l'État du Niger. Donc, euh, il y a également la lutte contre le mariage précoce qui touche également les enfants. Ça peut être euh, du sexe comme les filles et comme les, les, petits garçons également sont victimes du, mariage précoce. Il y a également ce que on peut dire comme avancer que euh, aujourd'hui il y a plus euh, de, financement aujourd'hui de la part donc des bailleurs de fonds concernant l'enfant. Mais ce qui est à déplorer, c'est que euh, les fonds qui sont aujourd'hui mis à la disposition de ces enfants, ce sont pas ces enfants qui les utilisent en fait, parce que jusqu'à présent la gratuité des soins, comme venait de le dire à l'instant aussi. Des euh, pas effectifs. Euh, d'un côté également, quand on regarde ces dernières années, c'est vrai, bien qu'il y ait eu euh, l'État donne en fait l'image que tout marche bien du côté de l'éducation, mais jusqu'à présent également, du côté de l'éducation, c'est un peu critique mm. dans notre pays. De façon générale. De façon générale. Mm. Ça veut dire que les enfants ne sont pas également à l'abri de la mendicité également. Parce que quand on regarde euh, les rues, euh, de Niamey, ne serait-ce que Niamey, il y a plein d'enfants aujourd'hui qui se retrouvent dans la rue et qui n'ont pas en fait euh, l'aide sociale. Quand je dis l'aide sociale, ces enfants devraient se retrouver dans une maison de réinsertion euh, mais euh, on ne sait pas pourquoi donc ces enfants continuent à être dans la rue. Hmm. Il y a tout ceci. Il y a également ces enfants. Il ne faut pas oublier les enfants qui sont aujourd'hui dans les camps hmm. des réfugiés. Hmm. Ces enfants aussi ont droit à l'éducation, ils ont droit à la, à la santé, ils ont droit aux mêmes, euh, à la, aux mêmes chances que les autres enfants. Les enfants en situation de handicap aussi, c'est la même chose. Donc je pense que l'État doit encore faire plus avec ses partenaires techniques et financiers pour regarder où est-ce qu'on doit investir pour que l'enfant se, euh, sente dans ses droits Parce que l'enfant a plusieurs droits c'est l'extrait d'acte de naissance d'abord, l'état civil. Donc, euh, ça veut dire que là-bas aussi, il y a un problème. Il y a également l'éducation et la santé. Donc, je pense que si les trois là sont réunis autour de l'enfant, je pense que c'est, ça sera, c'est déjà, un premier pas pour l'État. Rufai Dandoua, pour vous, euh, aujourd'hui, euh, quand, on analyse la situation, euh, en tout cas de 90 à aujourd'hui, que le Niger en tout cas, a ratifié cette Convention des droits des enfants, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui noter en termes d'avancées significatives et quels sont, selon vous, en tout cas, les domaines ou les droits fondamentaux de l'enfant euh, qui ne sont pas encore effectifs Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, défis que, que d'avancées. Quand on prend aujourd'hui euh, le phénomène d'insécurité qui assaille nos États, euh, surtout dans le Sahel, on se rend compte que beaucoup d'enfants n'ont pas la possibilité, n'ont pas ce droit euh, constitutionnel d'aller à l'école, n'ont pas ce droit de se faire euh, soigner. Pourquoi Parce que les moyens ne sont pas mis en œuvre pour que les enfants puissent être soignés dans les centres de santé. Quand on revient à l'éducation, aujourd'hui, vous prenez certaines régions du pays, beaucoup ne vont pas à l'école. Je pense que ça, ça fait partie des, des défis énormes euh, qui sont là pour l'État du Permettre à tous les oui, enfants euh, euh, d'aller à l'école. Ce sont des droits. Même on a rappelé notamment ces enfants dans les centres de, en tout cas de, déplacés. Justement, donc je pense que ça, ce sont des défis énormes. Et l'autre point de, ce que je voulais dire, c'est que ce sont les barres de fonds. Je trouve que chez les barres de fonds, il y a beaucoup plus de communication que, que réellement de d'action que d'investissement dans qu'ils doivent faire. Quand la journée vient, il y a beaucoup plus de communication. Quand ils ont besoin d'aller dans les villages, dans les hameaux pour faire euh, leur communication et renvoyer chez les grands partenaires hors du Niger et avoir les financements, ça se fait facilement. Je pense que l'argent qui est investi est beaucoup plus englouti par l'administration que par les enfants eux-mêmes qui doivent en bénéficier. C'est un sens que je pense que autant on peut parler d'avancer avec la ratification, autant aujourd'hui on peut dire que cet argent qui est là, tant, par, euh, tant chez l'État que chez les barres de fonds, n'est pas utilisé à bon escient. Et je pense que ça, ce n'est pas bien parce que l'enfant qui est là et pour qui on fait toute cette campagne ne bénéficie pas. Conséquence, euh, il devient euh, un objet de de comment comment on peut dire un objet de, de, de monnayage. On, monnaie l'enfant pour avoir de l'argent. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, comment accélérer accélérer le processus tant dans les grands centres urbains que dans les zones rurales, le processus en tout cas d'amélioration des conditions de vie. Je pense que des, enfants. de part et d'autre, tout le monde doit prendre conscience l'enfant ne doit pas être un jouet, il ne doit pas être au centre d'un marchandage pour avoir de l'argent. Quand vous constatez sur le terrain, c'est ce qui se passe. Les, différentes ONG, des, euh, je fais des, digressions, des femmes et des enfants, c'est toujours la même chose. On part, on prend des enfants qui sont en difficulté ou des femmes qui sont en difficulté, on fait des photos, on fait des images, on fait des vidéos et on envoie chez les barres de fonds. Quand on envoie, au lieu que l'argent Aïchi et qui de droit. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez les gens qui sont là à Niamey dans des grands bureaux, dans des grandes voitures, qui, qui, qui bouffent cet argent. Je pense qu'il faut que les gens prennent conscience. Euh, Donc pour vous, en tout cas, il y a cette, cette préoccupation de vraiment utiliser euh, les ressources destinées à la promotion, à la protection des enfants. Ce n'est pas par vocation que les enfants que les, que les gens font cette lutte. Au contraire, ils le font pour eux-mêmes, par égoïsme. Ils le font pour, oui, bon, bon, oui, pour la plupart. Il y a toujours pas, des de règles sans exception. Donc, les la plupart le font, pas par vocation, mais juste parce qu'ils savent que c'est un domaine qui génère beaucoup de profits. Donc, il faut le faire. Il faut montrer aux gens qu'on est là, qu'on fait les choses même l'État, même l'État, quand l'argent rentre, la plupart du temps, l'argent ne va pas là où il doit aller. Je mm. pense que les gens doivent être responsables, ils doivent se dire que ces enfants ne doivent pas être utilisés par les grands parce que eux ne peuvent pas parler, parce que eux n'ont pas le, euh, euh, euh, la conscience, la bouche pour parler, donc il ne faut pas les utiliser. Mais Mouna, un mot par rapport, en tout cas, à l'accélération de la, de, la concrétisation du, des droits des enfants. Euh, la L'accélération, de la, concrétisation donc euh, des droits des enfants, c'est c'est un véritable défi. Donc, ça veut dire que tout simplement, l'État doit s'atteler euh, avoir un œil d'abord regardant sur les ONG qui militent en faveur de ces enfants. Comme l'a souligné tout à l'heure Rufai, il y a des ONG qui profitent de la situation de l'enfant, qui ne veulent pas en fait même l'émergence de l'enfant, les droits même de l'enfant, parce que tout simplement, eux, ils se voient déjà quand un enfant arrive à acquérir son droit, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'existence de l'ONG. C'est-à-dire que les ONG font un petit marchandage entre le euh, les droits de l'enfant et entre leurs poches. Donc c'est ça en fait la réalité des choses. Parce que je me dis, si aujourd'hui l'État est en train d'investir dans la situation des enfants, nous n'aurons pas à vivre ce que nous voyons. Mm. Nous n'aurons pas à voir ces enfants qui sont dans la rue. Mm. Nous n'aurons pas à voir également des enfants peut-être en situation de handicap aujourd'hui qui ne portent pas à l'école. Mm. Nous ne pourrons pas également voir ces enfants euh, de la rue, comme on les appelle, qui ne sont ni mendiants, mais c'est quand même des enfants de la rue, qui vivent dans la rue. Mm. Donc je pense que si l'investissement euh, l'investissement que l'État est en train de faire va directement dans les besoins de ces enfants, je pense qu'il y aura euh, une, euh, il y aura la positivité. Et je pense que également pour terminer, l'État doit aller au plus loin de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. En quoi faisant ah. Ah, Oui, comme je, l'ai dit, en investissant, en investissant, mais en regardant où est-ce qu'on doit nécessairement investir. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, en, mettant la fille en avant, on oublie un peu le petit garçon aussi. Mm. Donc, le petit garçon, et l'enfant ont le même droit, donc le même droit à l'éducation, même droit à la santé et ainsi de suite. Bien, maintenant nous allons passer à, un autre sujet. nous recevons nos deux confrères Garé Amadou et Nissa. Bonsoir, chers bonsoir, bonsoir, Voilà. Comme vous le savez, euh, il y avait euh, donc ce dialogue renoué entre le pouvoir et l'opposition autour euh, du Premier ministre. Et puis la semaine dernière, par le retour de l'exil de, l'opposant Hamamadou, qui a reçu à son domicile pour des condoléances certains ténors, en tout cas du pouvoir, euh, comme Bazo Mohamed, ministre de l'Intérieur, euh, Issa, quelle appréciation faites-vous du climat politique au Niger ces dernières semaines Comment créer et maintenir davantage un climat politique apaisé Il y a une détente qui est là quand même, il faut le reconnaître. Mhm. Le fait que le chef de file de l'opposition revienne, il est revenu de lui-même. Il est rentré chez lui. Il a reçu les condoléances liées au décès de sa mère. Il s'est présenté personnellement, comme on avait dit, devant le procureur. Il n'a pas été déporté, il est parti à la prison civile de, de Moi, je pense que c'est déjà un élan de détente par rapport à la situation initiale. On est dans un contexte de dialogue, moi je dit de dialogue national. Parce que là, quand les gens parlent de dialogue politique, je dis non. Ce n'est pas une question de dialogue politique, c'est un dialogue qui implique pratiquement tout le, tout le monde. Parce que au-delà des acteurs politiques, un, un apaisement relatif. Au-delà des acteurs politiques, c'est-à-dire euh, les, trois blocs, bon, moi j'ai dit les deux blocs, bon, parce que le troisième bloc non affilié, ça ne veut rien dire pour moi. Maintenant, en dehors de ces deux blocs euh, plus euh, l'appendice là. Il y a centrale syndicale qui participe au débat, il y a la société civile et je crois il y a aussi les grands témoins comme on dit, c'est-à-dire la chefferie traditionnelle et, et comment veut dire euh, l'association les associations, islamique et, les, vous saluez cela non Non, c'est une bonne chose. Moi je pense que c'est une bonne chose mais il faut que dans le cadre de la conduite du processus, il mm. faut qu'il y ait un peu de transparence. À partir du moment où on parle d'inclusivité, mm. c'est-à-dire à toutes les étapes, il faut associer les différents acteurs. Donc pour vous, on doit laisser personne derrière. Non, non, non. Il faut associer les différents acteurs. Quand vous parlez de dialogue inclusif, le dialogue suppose quoi C'est que tous les acteurs sont là. Mm. On doit s'entendre. N'importe quel mot on va poser, c'est que tout le monde est d'accord avec ça. Mais on ne fait pas pour dire, voilà, on a fait ça et on vous impose. Et c'est vous, vous venez valider. Ça n'a aucun sens. Gare Amadou, euh, du quotidien La Nation, est-ce que vous avez euh, fait ce constat ces dernières semaines euh, de, ce climat relatif d'apaisement au niveau du, en tout cas sur le plan politique, bien sûr, avec la convocation de ces, rencontres majorité opposition, le retour de Hama Amadou Oui, mais c'est vrai que ce climat de, en tout cas d'accalmie politique est constaté par tout le monde. C'est vrai que concernant le comité, les choses ne sont pas, je vais mettre quand même un peu de de, froid le comité oui, du dialogue. vraiment, bon, c'est déjà compliqué pour aller vers le comité. Certains disent non, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Il faut Déjà, c'est compliqué, mais le plus important, c'est le principe du dialogue. Euh, et, je pense que euh, il faut quand même euh, rectifier quelque chose de très important. de par ce qui se passe, en tout cas sur le plan aujourd'hui, sur le plan pénal et tout, Hamabou n'est pas le chef de file de l'opposition, il est le principal opposant. Mm il y a une nuance. Mhm. Je m'explique. Il y a une décision de justice qui dit que Hamamadou ne peut pas diriger un parti mhm. et, et on dit que la, charte des partis politiques, je crois qu'à son article 9, dit que mhm. le chef de de l'opposition, c'est le président du parti de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et si on se refait à la décision de justice, ce n'est pas le chef de file de l'opposition, c'est le principal opposant. Il y a une nuance très importante dans ce, domaine-là. Mais j'ai dit, eh, ce qui est, revient aujourd'hui à qui alors ah, si, si a un président, c'est lui qui va être le président. C'est lui qui va avoir le, titre de chef de file de l'opposition. Mm. Ça revient toujours à Lumana, mais c'est pas le principal opposant, mm. mais c'est pas le chef de file de l'opposition. Bien. Voilà, c'est une chose. Mm. Mais ce que j'ai dit, le plus important, c'est quoi Les gens se sont retrouvés autour d'une table. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire trop le chichi sur les, expressions, le nom du comité, on n'est pas d'accord, que c'est vous qui avez mis ça. Le plus important, c'est quoi C'est l'essence du dialogue. On va discuter sur des choses importantes tout le reste. Qui permettent d'apaiser mais le de tout le monde, qui permettent d'unir les Nigériens. Mais bien, sûr, mais, mm. mais Alassane, le nom du comité, mais est-ce que c'est important pour les Nigériens mm. eh, L'essentiel, c'est quoi L'essentiel, il va parler de quoi On va discuter de quoi Est-ce qu'on peut s'entendre sur des points C'est tout ce qui est important. Tout le reste n'a aucune importance. Bien. Vraiment. Rufai Dandoua, quel est votre point de vue par rapport à, en tout cas, au climat politique aujourd'hui qui règne oui, le climat politique, ça va. On, peut, dire, euh, contrairement aux deux, trois dernières semaines, ça va. Moi, je voudrais juste revenir sur euh, tout ce cirque, euh, toute cette scène hollywoodienne qui a été montée autour du retour de, de Hamamadou. Moi, je sais qu'il n'est, qu'il n'est, qu'il n'est pas revenu de lui-même. Je sais qu'il ne s'est pas amené de lui-même à la justice. Je sais qu'il n'est pas allé de lui-même à la prison. Donc tout ça a été eh bien ficelé. Sinon, il l'aurait fait le jour du décès de sa maman, parce que en termes même religieux, ça aurait plus d'impact. Pourquoi elle le fait maintenant Je pense qu'il y a, euh, qu'il y a beaucoup de choses autour de, de cette affaire que nous, nous ignorons, nous qui sommes loin de cette affaire. Donc je pense que c'est un cirque qui a été monté quand vous voyez Bazoum qui part chez Hamamadou, qui lui fait la collade, comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Quand vous voyez les Seine Omar, les Albadé, les Nouh quand vous voyez les, des ennemis jurés de Hamamadou qui partaient parce que moi je pense que... Ça donne du bon au cœur quand même de voir ces gens qu'on pensait c'est haïr. Moi, hein. moi, moi, vous savez, moi je ne suis pas hypocrite. Je n'aime pas cette hypocrisie l'hypocrisie collective des Nigériens qui, qui, a entouré toute cette venue du Hamamoun. Et lui-même, il souriait comme si rien ne s'est passé. Non, non, moi je ne suis pas dans ces, dans ces histoires d'hypocrisie collective. Non, je ne suis pas dedans. Et je pense qu'il y a, y a trop de choses autour dont nous nous ignorons. Eh, oui, même Nadjado un mot par rapport au retour de Hama, par rapport au, climat politique, eh, rapidement. le climat politique, moi, je pense que c'est une euh, bonne chose déjà, parce qu'il y a la calmie qui est là. Euh, aujourd'hui, ce qu'il faut également déplorer, c'est que jusqu'à présent, le comité n'a pas encore commencé les travaux. Donc ça aussi, c'est à déplorer. Et je pense euh, il est au stade de reconstitution. Euh, bon, stade. bon, les Nigériens ont quand même droit de savoir ce qui bloque en fait la situation. Et je pense que également d'un côté que le retour de Hamas soit négocié ou pas négocié, je pense que quand c'est pour l'intérêt du pays, il faut mettre d'abord euh, l'intérêt du pays en avant. Donc je pense que nous sommes tous des Nigériens. Euh, on peut avoir, c'est vrai, nos tares et nos différences, mais quand il s'agit de, de l'intérêt du pays, je pense que ce que les autres ont fait, venir vers euh, un opposant qui, a, et, qui s'est exilé pendant plusieurs années et qui est revenu au Bercail, je pense que la meilleure des choses quand même, c'est de venir présenter les condoléances. C'est les condoléances, que ça soit euh, un ennemi juré de Hamma ou que ça soit quelqu'un de proche de Hamma. La mort tapera à la porte de chacun. Je pense que ça, c'est un devoir, un devoir pour tout citoyen nigérien de l'accomplir. Et je pense que déjà, c'est déjà bon et <laughs> nous allons voir comment est-ce que la situation va évoluer les, prochains euh, jours ou bien heures qui, sont devant nous Alors, euh, on l'a vu, hein, après avoir fait le deuil de sa mère entre jeudi et dimanche, Hamamadou hein, est depuis lundi à la prison de Fulangué pour purger ses huit mois restants de prison ferme. Rappelons qu'il a été condamné à 12 mois pour trafic, euh, en tout cas pour supposition et trafic de, de bébés. Comment entrevoyez-vous l'avenir politique de Hamamadou Sera-t-il autorisé ou non à rentrer dans la course pour l'élection présidentielle de l'année prochaine car investi, ah, à vous Maimouna, <laughs> car en tout cas investi par les deux ailes de son parti, en tout cas par les deux congrès, celui tenu à, Niamey et à, Dosso. Bon, il faut noter d'abord que c'est vrai, sa venue à Niamey, ça, ça a suscité beaucoup de, autour de la venue de Hamas. Oui, mm. parce que on peut ne pas enlever l'hypothèse que ça a été négocié. Parce que quand vous regardez en 2016 ou je sais pas, en 2015, quand il avait voulu forcer pour venir à Niamey, ce qui s'est passé. Ses Ces militants ont été réprimandés, il a été arrêté à l'aéroport, des journalistes ont été tabassés, tout ça c'est le retour de Hamas. Aujourd'hui, si ce n'est que le poste de la qui était parvenu au Nigérien, vers 15 heures, personne ne saurait si Hama hmm. était bel et bien dans l'avion et il allait atterrir. Il n'y a pas eu de tapage. autour de, son en fait. Retour. Donc, c'est ça qui nous amène à dire que ça a été négocié. Ça a été négocié. Il est venu à Niamey. On a vu comment les choses se sont passées. Il a demandé à ses militants de rester sereins et, de ne pas faire de mouvement, de rester comme ils sont. Donc c'est une joie pour eux au lieu d'aller vers peut-être. Est-ce que cela laisse entrevoir que dans les, dans, dans les jours ou les mois qui, qui arrivent, ces derniers pourra avoir, en tout cas. Là, je me dis qu'on est au stade où aujourd'hui, il est au niveau de la prison du Filengue. Et je pense que pour quelqu'un, un opposant comme Hamba, qui a fait euh, plus de trois trois ans ou quatre ans d'exil mm. pour euh, quelque chose où il dit ne pas reconnaître, et aujourd'hui, avec... Euh, les derniers recours qu'il a fait au niveau donc euh, des juridictions qui euh, n'ont pas, abouti. Et vous avez vu la dernière juridiction euh, de la CDAO qui a débouté débouté Hamamadou par rapport donc à l'affaire dite des bébés importés. Mm. Donc aujourd'hui, si on regarde la manière dont les choses se sont passées, que Hamadou se retrouve aujourd'hui en prison pour pouvoir purger ses huit mois, je me dis que ça veut dire qu'il reconnaît déjà qu'il est en faute il reconnaît déjà qu'il est impliqué dans l'affaire des bébés importés. Parce que s'il n'était pas impliqué dans l'affaire des bébés importés, il n'osera jamais aller en prison. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler très tôt que Hamas sera candidat ou pas candidat. Ça, c'est les militants qui le veulent. Mais aujourd'hui, est-ce que du point de vue de, de la justice, est-ce que ça sera faisable Est-ce que aujourd'hui, parce que nous sommes dans un processus également de négociation, est-ce que ça peut arriver à mettre Hamadou devant ses élections. Je ne pense pas, hein, je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut dire que la carrière soit de Hamadou s'arrête au niveau de la prison de Filingue, ou continuera. Hmm. Ça, seul Dieu pourra euh, nous euh, édifier par rapport à ça et les, jours à venir aussi. Bien. Ousseini Issa, quel est votre point de vue par rapport, en tout cas, à l'avenir politique de Hamadou C'est des questions, moi, pour moi, c'est des questions souvent que les gens posent. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison, dans un contexte où il pouvait être tué. En fin de compte, il est sorti de prison, il est devenu président de l'Afrique du Sud, il a réconcilié les Sud-Africains. C'est pour ça souvent quand les gens posent les questions, c'est pas parce que quelqu'un est allé en prison. Les textes, les textes, c'est les hommes qui les, élaborent. Mm. Les gens peuvent revenir sur les textes, les gens peuvent renoncer à un certain nombre de choses dans le cadre d'une réconciliation et tout et tout. C'est pour ça quand les gens disent mais c'est fini l'avenir politique, moi, j'ai dit quelque part, personne ne peut déterminer. Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il revienne. Il est revenu. Il est resté. Il a reçu quand même pratiquement tout le gotha politique nigérien. Il n'y a pas euh, quelqu'un qui n'est pas allé faire des accolades chez lui. Mais Rufai disait que c'était une hypocrisie à laquelle. Oui, mais bon, quelque part, quelque part, j'ai dit, c'est ça j'ai dit. Pour ça, et cette fois-ci, ce n'était pas dans un contexte musclé. Je me rappelle le jour où il était arrivé, et le 14 novembre 2015, moi j'allais à Johannesburg, je devais prendre l'avion à, midi et quelques. Je suis sorti de chez moi aux alentours de 8h30. La voie était carrément euh, militarisée. J'étais obligé de faire des détours. Et c'est ça que j'ai dit quelque part. Il ne faut pas vite et comment et de, déduire ou conclure que, c'est fini. pour la personne, l'homme politique. Il y a combien d'hommes politiques qui ont connu des, des, des, périodes d'exil pendant des années et qui sont revenus chez eux et qui, et, et, qui ont. C'est ça, vraiment, il faut aller mollo mollo. et souvent, c'est les médias qui font en sorte qu'on dit non, non, non, c'est fini pour lui. Non, c'est pas fini. Tant que la personne a envie, ça continue toujours. Hussein, continue avec Rufaï euh, Rufai Dandoua. Rufai oui, euh, comme le dit Hussein, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, par exemple, avec Mandela et Hamadou, Je pense que c'est des choses eh, différentes c'est vrai qu'on ne peut pas prédire de l'avenir de quelqu'un. Ça, il faut être Dieu pour le faire. Mais on peut faire des analyses pour voir euh, sur la base des choses, sur la base des faits, sur la base des textes qui ont été élaborés. Aujourd'hui, il y a une situation qui est là. C'est la situation de Hama Et il n'est pas le seul. Il y a Abdoulabou le, qui est là, qui a purgé la peine, qui a fait 12 ans. Et je suis, je suis euh, euh, sa femme n'est pas un homme politique. Je suis entièrement d'accord avec euh, Oui, Hama s'est dédié. Il a, il a toujours nié qu'il n'est pas impliqué dans l'affaire des biens portés. Le fait de revenir au aujourd'hui pour retourner à la prison prouve aujourd'hui qu'il reconnaît euh, tacitement qu'il est impliqué dans cette affaire. Et le fait qu'il soit impliqué dans cette affaire, c'est purge un an de prison qui dit voilà il faut l'article y a l'article 8 du code électoral il faut, faire parler les juristes les, textes et mm. lois que dit l'article 8 il dit quand tu purges un an de prison tu ne peux plus être éligible, ça veut dire que partant de cet article Hamon ne peut pas être candidat même si ses militants le veulent, ne pas être candidat prochainement aux élections présidentielles Maintenant, parler de, de réconciliation. Il n'y a pas eu de guerre au Niger. Pour un seul citoyen, on ne va pas se permettre. Par exemple, le président, il a le droit de grâce, mais quand même, même s'il y a la réconciliation, le président ne va pas se lever pour dire je gracie un tel. Et les juristes disent que même si on le gracie, la grâce ne peut pas lui permettre d'être candidat. Il faut qu'il y ait une amnistie. Et euh, on a, a vu dans l'histoire politique du Niger pour avoir l'amnistie, on, on l'a eu en situation de coup d'État. Donc ça prend énormément de temps. C'est un processus de longue haleine est-ce que ça va permettre à ceux Donc, que... Ah, est-ce que, pour une seule personne, vraiment, la justice elle doit être égale pour tout le monde Maintenant, il doit se dire que peut-être que le train est passé. Il a un, parti politique qu'il a mis en place, c'est un enfant qu'il a, inventé. a, Dans le parti, là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de militants valables qui peuvent représenter ce parti. Il faut qu'il ait confiance à ces militants pour se dire que euh, euh, la vie là, ce n'est pas une, pas une course de, de, de, 100 mètres. Hein. pas parce que, par exemple, Issoufou a été président, Tanja a été président, Ousmane a été président, que lui-même, il est obligé d'être président. Non, non, Dieu n'a pas écrit cela. Il peut se dire que sans lui, son parti peut être au deuxième tour. Donc, il faut qu'il donne la chance au, à un autre candidat. Mais moi, je pense que, connaissant eh, certains textes, écoutant aussi certains analystes, les chances de Hamma pour qu'il puisse être candidat aujourd'hui aux élections présidentielles de 2021 sont moindres. Bien. Gary Amadou, quel est votre point de vue Oui, euh, il faut, il faut dire quand même que euh, euh, quand, les gens créent des partis politiques, c'est d'abord des ambitions personnelles. Donc c'est normal que Hamma ait des ambitions. C'est tout à fait normal. Hein. C'est-à-dire l'idée que, bon, oui, si, si, si moi je ne peux pas être candidat, je vais laisser quelqu'un. C'est normal qu'il continue à avoir cette ambition-là. D'abord, je vais dire une première chose. Les gens qui sont partis chez Hamma, tout, tout, le gotha politique qui est parti chez Hama, c'est pas pour lui faire la déclaration d'amour, c'est pour lui présenter les condoléances. C'est vrai ce que Rufai dit. Et donc, il y a une nuance. C'est vraiment pas pour partir pour, non, c'est pour, comme l'a dit Memouna, c'est pour des, des condoléances. Mais c'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est vrai, comme l'a dit Ousseini, on ne peut pas prédire de l'avenir. N'est-ce pas? Je ne peux pas dire que, eh, eh, est-ce que Hama, ce que je sais, ce que, pour moi, il y a 99% de chances que Hamad dépose un dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Maintenant, est-ce que la Cour constitutionnelle peut valider le, la candidature de Hamad C'est là où je rejoins Rofaï. Si on regarde les textes, la peine de prison, n'est-ce pas C'est quasiment impossible. Et il y a même un détail encore plus important. Si on le gracie, le président est la seule personnalité qui a le, pouvoir de grâce. S'il le gracie, il ne peut pas l'amnistier. Vous savez pourquoi Parce que justement, la grâce, l'amnistie est constitutionnelle. Et les dispositions de la Constitution ont fait en sorte qu'il y a deux articles qu'on ne peut même pas modifier. L'article sur le mandat et l'article sur l'amnistie. On a dit très clairement qu'on ne peut pas les modifier. Donc, c'est extrêmement compliqué pour Hamamadou. Mais je ne peux pas mettre ma main au feu pour dire que voilà ce qui va se passer. Tout ce que j'ai dit, ce que, ce que José Scrofa a dit là, mm. au vu de ce qu'on a là, mm-hmm. Sur la base des textes, sur la base des faits. C'est très compliqué. Bien. Vraiment. Nous passons au, sujet sport, je le disais, parlons football avec les deux défaites à moins d'une semaine hein, du MENA national dans le cadre des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021. La première défaite 0 à 1 samedi face à la Côte d'Ivoire à Abidjan et la deuxième défaite 2 à 6 face au Madagascar mardi ici même à Niamey sur les propres installations du 11 nigérien. Selon certains observateurs, cette défaite du MENA à domicile en tout cas, serait la plus lourde défaite subie depuis 50 ans, euh, Rufai Dandoa. oui, en fait, ce n'est pas les, deux défaites en quatre jours qui sont. Parce que c'est le calendrier FIFA qui l'exige. Mm. Tous les pays ont joué le, même nombre de matchs au, mm. même moment. Mm. La défaite à domicile Oui, c'est peut-être la défaite à domicile qui, qui est consécutive peut-être à la bonne performance du MENA à, en Côte d'Ivoire, à C'est peut-être là où on s'est vu trop beau. Les Nigériens ont joué face à une équipe de, de, de la Côte d'Ivoire qui se cherche, qui est en reconstruction, qui a des difficultés devant son public et qui est en désamour avec le public ivoirien. Vous voyez, les gens ont oublié tous ces aspects. Et pour qui connaît le football, quand vous regardez dans l'histoire, sportive des rencontres entre le Niger et la Côte d'Ivoire, ce sont des matchs qui ont toujours été compliqués, mm. que ce soit à Abidjan ou au Niger. Donc c'est toujours des scores étriqués. Donc cela ne devrait pas, pour qui connaît le football, dire que le Niger pouvait faire euh, une, bouffe, une gorgée de, du Madagascar qui a été peut-être sur ces deux, trois dernières années euh, l'une des meilleures équipes africaines euh, de football. Mais les gens ont fermé les yeux et ont dit Ok, on a fait une belle prestation, on a été grugé par l'arbitre qui a donné un penalty qui n'existait pas et à la Côte d'Ivoire, on nous a gagné, donc on va gagner Madagascar. Et il fallait déjà aussi regarder le match Madagascar-Éthiopie pour savoir que ce Madagascar-là, ce n'était pas un, enfant de cœur, comme on dit. Et quand ils étaient venus ici, ils ont joué libéré parce que c'est un collectif qui a commencé à prendre depuis trois, trois, qui a commencé à prendre depuis trois ans, ce qui n'est pas le cas du Niger, qui est chaque jour en perpétuel euh, recommencement, en perpétuel. Voilà. Nous, pour rappel, Roufaï est le, le, le, nouvel entraîneur ce du a été nommé récemment le 12 novembre. Ce n'est pas l'entraîneur. Si euh, la dernière fois, par exemple, c'est juste un exemple que je prends, mm. il y avait le match euh, Lyon-Saint-Etienne en France. L'entraîneur Claude Pell était venu trois jours avant le match face à Lyon. Il a pris l'équipe qui était déjà en place et il a gagné Lyon 1-0. Mm. C'est pour vous dire que ce n'est pas l'entraîneur. Si on avait une, une ossature qui était là et qui, a, qui, a, qui, qui, qui, se comprenait, on pouvait faire quelque chose. Or, ces derniers temps, ce qu'on a, qu'on a l'habitude de bannir, le fait de faire venir des étrangers pour les naturaliser, on est retombé là-dedans. On prend des Ivoiriens, on les naturalise. Aujourd'hui, c'est Quand vous regardez l'équipe nationale du Niger, je crois qu'il y a six, joueurs qui ne sont pas nigériens, qui sont des... De, de, on dit, ils ont origine nigérienne, ou bien c'est des étrangers qui vient on les naturalise et on les impose à lieu et place des jeunes qui avaient fait, par exemple, la U17, la U19 et qui avaient euh, la base. Maintenant, on les a laissés. Moi, je pense que c'est normal. on s'était vu trop beau. On dit qu'on va gagner le Madagascar. Madagascar, dès l'instant où Madagascar a égalisé, ou, quand on a marqué, on, pensait qu'on pouvait euh, largement battre Madagascar, on a relâché. Madagascar a pris confiance, ils ont égalisé cinq minutes après. Et de là, c'était euh, la Berenésia, on dit, ou quoi là. donc c'est pour vous dire que le problème du public nigérien, c'est que le problème du public, c'est qu'il n'est pas connaisseur du football. Il pense que non, on est au Niger, on doit obligatoirement gagner. Hmm. Or, le problème du football nigérien, il est très profond. Et moi, je pense que tout le bruit qu'on va faire autour de ça, tant qu'on ne trouvera pas le problème de ce football nigérien, demain, on va encore perdre. Après demain, on va perdre. On va toujours perdre. Et il faut trouver le problème du football nigérien. Et pour moi, je l'ai toujours dit, je le répète, je le maintiens, le problème du football nigérien, c'est la fin du foot. Bien. Euh, Gary Amadou, quel est votre point de vue par oui, rapport à, ces lourdes Oui, je suis entièrement d'accord. Pour moi, la du foot doit, rendre le tablier. Hein. La foot n'a plus sa raison d'être. Mais écoutez, et 6 à 2 à domicile. Ça veut dire que nous sommes nuls. <laughs> il faut le dire, nous sommes nuls. Mm. Mais alors, moi, je peux comprendre qu'on cherche à se qualifier pour, partir à la canne. Mais pour faire quoi à la canne C'est-à-dire que si c'est pour partir, se faire laminer et sortir de le premier tour, franchement, c'est pas la peine de se fatiguer. C'est-à-dire, il faut arrêter. Ça suffit comme ça, quoi. Le Mali n'a même pas de, de fédération. Mais vous avez vu le football malien, comment il est bon mais ça veut dire qu'on a un problème structurel. Effectivement, il a raison. Sur le plan national, on a des joueurs qui sont excellents. Mais pourquoi partir prendre des, des, joueurs et puis les naturaliser uniquement pour faire. c'est quoi cette mafia-là au niveau de la. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi la, plus-value Il n'y a rien. Notre football est nul. Je l'ai dit sur ce plateau depuis longtemps. C'est nul, c'est nul. La fédération est nulle. Pourquoi aujourd'hui travailler pour vraiment. Non, il faut, d'abord. C'est ce qu'on a dit. Mm. Il faut d'abord revoir eh, le, processus d'intégration des joueurs de l'équipe nationale. Mm. On ne peut pas faire un championnat national n'est-ce pas Avec des bons joueurs qui sont partout, au niveau des régions, partout, même à Niamey. Et puis, privilégier des gens qui sont à l'extérieur ou qu'on va chercher à naturaliser, comme si les joueurs locaux sont nuls. Non. Et deuxième chose, pour moi, moi j'avais dit, on dit, oh ouais, Haroun a qualifié l'équipe B à la chaîne. J'ai dit, mais on pouvait très bien prendre Haroun Adoula et, et l'amener au niveau de l'équipe nationale. Mais comme Haroun Adoula, d'habitude, il va juste son salaire je me dis que peut-être que ce n'est pas intéressant pour certains. Préfère quelqu'un peut-être qui peut... Je ne sais pas hein, ce qui se passe pour de la, signature de contrat avec les, entraîneurs étrangers. Pour moi, les entraîneurs locaux sont excellents, ils sont bons. C'est pas la peine de partir chercher. C'est vrai que c'est pas la faute de l'entraîneur. Mais aujourd'hui, les 6 à 2 là, c'est très clair. Hein c'est même pas la peine de se fatiguer à partir, à, la canne. Madagascar, là, c'est pas une équipe. Vous avez vu ceux qu'ils ont fait à la dernière canne Jusqu'en quart de finale Bien. Euh, nous, on n'est jamais passé au premier tour. <laughs> le plus pauvre hein, qu'on qualifie mais, mais, ça veut dire qu'il au monde. Notre système n'est pas bon. Ah, bien. Maimouna, <laughs> allez-y. Euh, sur quoi aujourd'hui doit-on travailler Est-ce qu'il faut aujourd'hui, en tout cas, retourner vers ces joueurs locaux euh, mais on est, nous, sommes, obligés d'aller vers ces joueurs locaux. On ne peut pas avoir de très bons joueurs hein, dans tout Niger. On ne peut pas nous dire qu'on n'a pas de très bons joueurs. Pourquoi aller chercher à l'étranger et nationaliser des, étrangers pour aller compétir au nom du Niger. Ça n'a même pas de sens. Donner l'opportunité à ces jeunes, donner à ces jeunes qui veulent s'affirmer, qui veulent aujourd'hui travailler, qui veulent aujourd'hui, qui ont l'amour du foot en eux. Mais je pense que c'est eux aussi aujourd'hui, ils sont mal placés aujourd'hui. Quand on regarde, ils ne sont pas contents qu'aujourd'hui on dise que c'est des non-nigériens aujourd'hui qui ont été ramenés ici au Niger, nationalisés pour pouvoir jouer sur les installations euh, de, du, du Niger et qu'on perd aujourd'hui le match contre les Malgaches. Mm. Et je pense que c'est à revoir. Et c'est vraiment, ça fait mal en tout cas, même si tu ne connais pas le foot, en tout cas ce qui s'est passé avant-hier sur le, stade, nous, ça nous a fait, <laughs> mm. ça, nous a écœuré parce mm. qu'à 72 minutes déjà, on nous fait 6. Et il y avait un penalty déjà qu'on n'a pas accordé. Ça pouvait être plus lourd. Hein? Mais, jusqu'à présent, on n'est pas sorti de l'auberge. Ousseini, <laughs> ça, aujourd'hui, est-ce que vous, vous pensez que euh, le problème se situe au niveau du processus, en tout cas, de composition de, cette équipe ou au niveau de la préparation Mais ça dure pendant combien d'années Je me rappelle sous Kunche, quand <clears throat> le MENA il a décidé de dissoudre Karma, il dit on va plus en compétition. Sous la période Kunche. Oui, oui. On ne peut pas être là. Chaque fois, parce qu'on a fait deux, trois matchs, euh, on a eu quelques petites victoires. Les gens viennent, ils acclament, nous sommes bons, nous sommes bien. Vous êtes bons, vous êtes bien par rapport à quoi Le Parce qu'il faudrait maintenir la, performance. Non, quel mais attends, vient de dire, on va, on prend des gens de dehors. Mhm. Alors que dans le Niger profond, il y a des bons joueurs qui sont là. Un bon championnat. On ne sait pas comment cette équipe-là est montée. Et on va dire, bon, il faut aller chercher les gens qui évoluent dans des clubs quelque part à l'étranger et tout. Est-ce qu'on a, euh, besoin, est qu'on a besoin de ça il faut travailler avec des gens. Et il faut. On a vu un peu le Sénégal quand ils ont fait leur belle performance dans les années 80, je crois 2000 là, quand ils ont renouvelé l'équipe. Ils ont renouvelé l'équipe. On peut le faire ici. Mais malheureusement, on est dans une logique où on s'est dit que non, non, non, non, on va continuer avec les mêmes gens parce qu'ils évoluent dans tel club, ils font telle performance. Quand les gens là viennent, ce matin simplement, j'ai suivi sur la voie du Sahel une émission comme ça où des gens qui viennent, ils viennent pas pour se faire, pour se blesser. Mhm. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils ont, ah ils sont dans des championnats, des grands championnats. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Et il faut qu'on arrête aussi, moi je dis quelque part, et c'est ce complexe parce que moi, je l'appelle complexe. Lequel Il y a des équipes, il y a des, des, entraîneurs qui sont capables au niveau national Au niveau national, on va aller prendre un entraîneur pour l'amener, pour, lui, dire non, celui qui peut mener, alors que l'entraîneur local, là, celui qui a fait progresser le club, il faut continuer avec lui et lui donner les moyens. En fait, c'est même pas. pas, euh, euh, les gens, je crois que les gens se trompent dans l'analyse. Ce n'est pas une question de complexe au Séné il y a trop de commissions autour, il y a trop de micmac autour de ça. Ce n'est pas une question de, de, complexe. et quand, par de commissions autour de quoi Autour de désignation d'entraîneurs Pourquoi, il, y a, deux semaines déjà, on, criait haut et fort qu'il y a un problème pour transporter les joueurs, pour faire venir les joueurs euh, au Niger qui vont jouer. Et juste deux, deux trois jours, on apprend qu'on a, qu'on a fait signer un nouvel entraîneur étranger. Hmm. Sur la base de quoi Combien il a été signé jusqu'à ce que eh, l'Ivoirien eh, Zawi quitte le Niger, on ne sait pas combien on lui donne. On nous dit que non, non il est venu parce qu'il est l'ami du président de la fédération. Il est venu, il a fait du bénévolat, il est parti. Aujourd'hui, on, appelle, on amène Jean-Guy mm. Sur la base de quoi il a, signé C'est vrai qu'on n'est pas obligé de dire aux gens eh, le contrat, mais on est dans un pays extrêmement pauvre où ce genre de détails, on a besoin de les savoir. Sur la base de quoi il est venu alors qu'on peut prendre. Aujourd'hui, les joueurs qui composent le, le MENA ne dépassent pas un entraîneur comme Haroun Abdullah. Elle peut le coacher. Ça, c'est un. Deux, et quand vous prenez les joueurs, on, a pris des joueurs ivoiriens, on les a naturalisés qui sont venus, qui jouent. Ils ont, et leur premier match officiel, ils ont joué face à leur nation d'origine. Vous voyez comment ça fait euh, ils, vont chanter l'ivoirienne ou la nigérienne. Un. Deux, est-ce qu'ils est ont le courage de défendre contre, leur pays Vous voyez, non Troisième chose, ça, ça, ça, ça, décourage les joueurs qui sont là, qui se tuent chaque jour en championnat pour avoir leur place en équipe nationale tu es là, on t'amène une fois à équipe on dit non, tu es, mauvais. Au lieu de te donner ta chance pour aller dans l'erreur et, performer, on amène quelqu'un de l'étranger pour prendre ta place. C'est en cela que je vous dis que tout ce problème, c'est le problème de la fédération qui doit rendre le travail depuis très longtemps. oui, j'aimerais quand même dire par rapport au salaire de l'entraîneur quand même. C'est-à-dire que mm. en Europe, c'est pas un secret. Hein. Mm. Ah, c'est pas un secret. Ah non, pourquoi on va, nous va dire ici que c'est un secret Pourquoi on va pas dire le, salaire de l'entraîneur, euh, le nouvel entraîneur, c'est combien Il faut qu'on dise c'est combien. En Europe, c'est pas un secret du tout, c'est naturel. Donc qu'on dise combien il est payé. Peut-être qu'on a, on a, peur de choquer les gens parce que ça va être astronomique. Devoir de transparence. Oui, oui, il ne vit même pas au Niger. Il, il a un club encore qu'il entraîne en France. Il entraîne là-bas et il vient au Niger. Ça veut dire qu'il ne connaît même pas le championnat national. Il ne sait pas comment sélectionner les joueurs. Il ne connaît pas les joueurs. FS. Et c'est sur ces mots que prend fin le forum d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de nos confrères et concerts Memouna Diado, rédactrice en chef à la radio et télévision Tambara, Hussein Issa, journaliste freelance, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation et Rufai Dandoua, journaliste chroniqueur de sport. Présentation à la Sainte Cousine Amadou, la technique assurée par Issa Lawali. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche 2 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 minutes. Samedi, le forum à Hausa et dimanche en Zarma. Bonsoir.